mai 2023, chers auditeurs du studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans ce numéro de la de ce dernier numéro de la semaine de votre émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, je suis Rabia Mekano et à mes côtés, Maria Madé. Comment vas-tu, Maria Ça va bien, bébé, et toi Ça va super bien ce matin. L'édition assurée par Adam Adawaki et la technique par Issa Lawali. Alors partenaire, dis-moi, t'as quoi pour nous ce matin Nous débutons cette édition Mariam en information avec le Flash et la revue de la presse nationale. Et dans l'entretien du jour, nous serons avec M. Amadou Daouda, professeur de mathématiques et slameur. Il va nous parler de son parcours et de sa passion pour cet art. De la rubrique éco des régions, nous irons à Tilaberi pour parler de l'éducation avec les cours à distance pour les élèves dont les écoles ont été fermées. Il y aura également la chronique Loti préparée par l'équipe femme du studio Kalangu et bien sûr la rubrique Sport. Studio chers auditeurs et auditrices, sans plus tarder, voici le flash d'information présenté par Rafika Taher. Bonjour Rafika. Bonjour Rabi, comment tu vas Je vais super bien. Bonjour Mariam. Bonjour Rafika. Quelles sont les nouvelles alors Alors pour les nouvelles, le Conseil des ministres tenu hier jeudi 18 mai 2023 a adopté le projet de décret portant modalité d'application de la loi numéro 2017-21 du 21 avril 2017 portant contentieux des infractions à la réglementation des relations financière extérieure des États membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. Le présent projet et décret prévoit la possibilité à toute personne physique ou morale autre qu'un établissement de crédit, auteur ou complice d'une infraction à la réglementation des relations financières extérieures de solliciter une transaction dans les délais bien définis. Ensuite, nous allons nous allons nous intéresser aux activités des parlementaires Rabi, mhm. imprégner les parlementaires de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CDAO sur la situation du travail des enfants de la région ouest africaine et attirer, et à attirer leur attention sur le phénomène. C'est l'objectif de la séance interactive sur le travail des enfants en Afrique de l'Ouest placée sur le thème éradication du travail des enfants, bilan et pérennisation de l'engagement du Parlement de la CDAO. Cette séance est présidée par le député Boukari Sanimalam. Cheibou, deuxième vice-président du Parlement. Il a indiqué que le travail des enfants est un phénomène difficile à définir, étant donné que tout travail effectué des enfants ne peut pas être qualifié de travail des enfants. C'est tout pour ce flash d'information. Merci Rafika, on se dit à la semaine prochaine pour encore plus d'infos avec toi. <laughs> À très bientôt. Comme annoncé en début d'émission, Monsieur Amadou Daouda, notre invité d'aujourd'hui, professeur de mathématiques au niveau secondaire. Il est aussi artiste slammer et avec lui, nous allons parler de son parcours en tant qu'enseignant et artiste. Mais avant d'entamer cette discussion, allons à musique dans ses titres Memata Gouda de Jitaya. Dans ses morceaux, il décrit la situation du mari monigame qui, selon l'artiste, est, prépare, est presque identique à un célibataire. On écoute. tashi dan karace mun rogo mai sanda guda ba shi jihon kura mai riga guda ba shi da wukan sabko mai mata guda ka daina zagin gabro mataka in tabarka કઈમાં કકુમાં ગબડું plus d'un monogame. Je vois déjà des réactions de l'autre côté de la vitre. Maria Bibi Alaji Mamantaya nous a quittés à 37 ans en 1988. C'était une voix de premier plan dans le développement de la musique moderne nigérienne. Sa mort prématurée en a été un choc dans la scène de la musique nigérienne. L'orchestre de avait remporté le premier prix concours national d'art de la musique moderne nigérienne, le prix d'Angourmou en 1987. Étant malade, Taya continuait à jouer sa musique dans son club mythique de Gaskama, quartier terminus de Niamey. Il participait aux concerts et animations. C'est à ce juste titre que le gouvernement du Niger a baptisé en 1989 le Centre de formation et de promotion musicale CFPM du nom de LH Taya pour rendre hommage à à l'artiste. Retour au studio pour la suite de notre émission avec l'invité du jour. Rabi s'est entretenu avec M. Amadou Daouda, professeur de mathématiques, qui, je le rappelle, est artiste la mère. Il nous parle de sa passion, l'écriture et l'islam. Parlez-nous de votre parcours. Je suis très passionné donc euh, de l'art oratoire. J'ai été rappeur dans les années du boom du rap 94, 15, 16 jusqu'à 18 jusqu'aux années 2000. Hein. J'étais dans des groupes de rap tantôt à Niamey, tantôt à Tilaberi. J'ai même fait partie donc de Safonda qui avait gagné le premier concours de rap du Niger en 2004 avec Senou nouvelles Trap. Et vous êtes euh, aussi euh, slammer. Oui, je suis slammer. Euh, je me suis découvert slammer parce que quand j'étais rappeur, mes couplets étaient relativement plus longs que les couplets des autres euh, et mes vers étaient tellement libres. J'écrivais, je manipulais la langue française telle que je la voulais. Et on se plaignait chaque fois que je monopolise le micro parce que j'avais tellement de choses à dire. Je ne savais pas que, au fond, ce n'est pas le rap qu'il me fallait. Il fallait que je m'étale beaucoup plus, beaucoup plus euh, largement. Euh, parce que mes strophes, euh, je ne respectais aucune euh, écriture standard, Verlaine ou Hugo ou Rousseau, je sais pas. Donc que ce soit la littérature française ou négro-africaine, j'avais ma façon d'écrire et je voudrais me singulariser. Et je m'étais fait mal compris. Voilà pourquoi j'ai fait de groupe en groupe. J'ai créé Hudja Messendio Zamaradi, ensuite j'ai fait Kena au Calais Est, puis Safonda à et là, finalement, je me suis retrouvé avec ça en 98, quand grand corps malade avait écrit Midi Vent. Je me dis, voilà quelqu'un qui écrit comme moi. Ah oui, Grand corps malade, c'était le déclic C'était le déclic. Oui. Je faisais ça bien avant de connaître Grand Corps Malade. Mais je ne savais pas que c'était ça le slam. Le, slam, c'est euh, Aujourd'hui, on peut dire que c'est un style artistique qui est vraiment tendance. Nous voyons beaucoup de jeunes slameurs qui émergent euh, sur scène, euh, qui, représentent le pays un peu partout. Euh, je ne sais pas, quel regard avez-vous du slam de ces jeunes si vous les suivez Positif, positif. Parce que non seulement, pas seulement la tendance, mais s'approprier cette langue qui, bon, oublions les bannières coloniales et autres, tout ça. Mais la, langue, la langue sert à véhiculer tout ce que nous avons comme message, comme connaissance à transmettre, tout ça. Et lorsque nous voyons avec la nouvelle technologie, la lecture des bouquins a beaucoup régressé. Maintenant, tout est question de, je sais pas, réseaux sociaux, tout est... Nos étudiants aujourd'hui ne vont pas à la bibliothèque pour consulter un livre. À partir de leur euh, iPhone, euh, à partir de leur téléphone high-tech Android, ils... Euh, mhm. Alors, je me dis que c'est à encourager. C'est à encourager. Rares sont aujourd'hui ceux qui sont des étudiants ou bien des élèves qui aiment même se présenter devant un auditoire, en classe, avec ses camarades, présenter un exposé. Ça va de là être capable de venir sur scène, être capable d'extérioriser, observer des choses en parler, écrire, faire un écrit et maintenant amener ça de manière artistique, faire vibrer les mots, euh, les vers, euh, faire ressentir quelque chose, créer, créer le, le, sens, ce sentiment, ces émotions sur l'auditoire. Alors, au-delà de l'écriture, faire parler les écrits, c'est-à-dire donner vie aux écrits, qui est le slam, je pense que c'est à encourager au Niger. À deux reprises, j'ai été invité pour représenter le Niger, mais j'étais avec mes, avec mes candidats, je ne pouvais pas <laughs> abandonner. Oh oui, ok. <laughs> On aimerait bien savoir quelles sont les thématiques que vous abordez dans vos écrits. Quelles sont généralement Société, actualité, hum, économie, politique. Euh, je parle aussi euh, politique internationale, hein. surtout aussi euh, les problèmes de l'immigration, l'insécurité, la répression sous toutes ses formes, que ce soit ceux qui sont en mandat dépôt, ceux qui sont condamnés, les détenus, tout ça, ceux qui sont dans des camps de réfugiés, etc. Moi, j'aborde un peu tout ce qui me frappe, tout ce que j'observe et ce que j'en pense. Et mes slams sont des textes qui sont vraiment ouverts. Je ne me donne pas le monopole d'avoir euh, une raison quelconque. Euh, je me dis que euh, à chaque fois, il faut que j'ouvre le débat par rapport à l'immigration. Je ne fais pas que dénoncer, je propose des solutions. Ou bien euh, ce que je pense peut être euh, solution. Et voilà, et le débat est ouvert. Qu'est-ce qu'on en pense Pourquoi nous allons quitter nos pays, vendre nos maisons, nos champs, nos, jardins pour aller vers un Eldorado, je sais pas, en Europe ou je sais pas, en Asie, en Amérique. Et voilà, donc il y en a qui peuvent penser qu'il faut le faire, ou bien d'autres vont dire non, mais revenez, euh, essayons de faire quelque chose chez nous, tout ça. Donc le débat est ouvert, du bébé jusqu'au soulard. Je m'adresse à tout le monde. Celui qui est là, euh, l'inconnu qui est en prison, qui n'a même pas de, de natte, nous poursuivrons cet entretien juste après la de la presse présentée par Mokhtar Hamadou qui vient juste d'arriver. Bonjour Mokhtar. Bonjour Mokhtar. Bonjour Mariama Adé, bonjour Rabia Mekano. Ok, donc euh, quand tu viens, quand, Mokhtar il vient, c'est vraiment la revue de la presse Mokhtar. Justice, Issoufou Mamadou décide de porter plainte contre Africa Intelligence, titre en gros l'hebdomadaire Niger Inter. Oui, et d'après le journal, les avocats de l'ancien président de la République du Niger, Issoufou Mamadou portent plainte à Paris contre Africa Intelligence pour publication d'articles mensongers et diffamatoires. C'est ce qu'indique un communiqué des avocats de l'ancien président de la République du Niger en date du 12 mai 2023. En effet, dans cet article intitulé De Niamey à Lagos sur les traces des millions perdus d'Areva dans l'Uranium Gate, le président Issoufou Mahamadou serait accusé d'avoir reçu des fonds virés par une société société euh, sur un compte ouvert dans une banque de Dubaï, ajoute la même source qui souligne que ces allégations sont dépourvues de tout fondement et portent violemment atteinte à la dignité, à l'honneur et à la considération du président Issoufou Mahamadou. Mokhtar Affaire Iranium Guetta, la classe la dénonciation du mouvement M sondé pour incompétence à titre les sites d'information Actu Niger. Dans une note d'information en date euh, du 15 mai 2023, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Halcia a annoncé avoir classé une euh, pour incompétence la dénonciation faite par le mouvement M62 euh, par lettre en date du 8 mai 2023 et relative à l'affaire dite Uranium Gate. On se rappelle que euh, dans un courrier du 8 mai 2023, le coordonnateur du M62 avait saisi la Halcia pour dénoncer des indices de corruption dans cette affaire qui continue de faire du bruit et avait réclamé des investigations sur l'ancien président Issoufou Mahamadou en se basant sur un article publié il y a quelques jours par le journal français Africa Intelligence. Gouvernance, Issoufou Mamadou dédie le prestigieux prix Mo Ibrahim au peuple nigérien, s'exclame le quotidien nigérien d'information et d'analyse Mouria, la voix du Niger. Selon le journal, le très prestigieux prix Mo Ibrahim de leadership africain d'excellence, dont l'ancien président nigérien Issoufou Mahamadou est le sixième lauréat, va être officiellement présenté au président Mohamed Bazoum ce vendredi 19 mai 2023 dans le tout autre prestigieux centre de conférence international Mahatma Gandhi de Niamey à partir de 16h. Issoufou Mahamadou a en effet été récompensé et honoré pour son leadership d'excellence qui a conforté la croissance économique au bénéfice de ses concitoyens a fait preuve d'un engagement indéfectible en faveur de la stabilité régionale et a défendu sans relâche le respect des règles pensionnelles et démocratiques, précise le comité du primo Ibrahim lors de sa remise à Nairobi au Kenya. La pension de retraite, un droit en danger, s'exclame le quotidien nigérien d'information, l'inquiétaire. L'enquêteur nous apprend qu'au moment où les Renaissances s'apprêtent ce vendredi 19 mai à fêter en grande pompe avec le Gotha politique au centre de conférence Matma Gandhi le trophée du prix Mo Ibrahim de la bonne gouvernance au titre de l'année 2020 attribué à leur champion Issoufou Mahamadou, les retraités réversés à la Carénie cumulant plusieurs mois d'arrêt de pension hausse le temps. Ils se sont d'abord regroupés dans l'après-midi de ce mercredi 17 mai au centre Gornaido du quartier Nouveau Marché de Niamey où ils ont lu une déclaration exprimant leur ras-le-bol par rapport aux nombreux rendez-vous manqués pour le paiement de leur pension de retraite. C'est tout pour la revue de la presse de ce vendredi 19 mai 2023. Merci bien, Mokhtar. À très bientôt. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur cette émission. Deuxième partie de notre entretien. Je rappelle à nos auditeurs que notre invité Amadou Daouda, le professeur des mathématiques la Cette fois-ci, il nous parle de ses projets. J'ai eu euh, l'opportunité de feuilleter euh, votre manuscrit, voilà. Et euh, pour tous ces jeunes qui nous écoutent, ces jeunes slameurs qui sont intéressés par cet art, qu'est-ce qui fait un bon texte Moi, je me dis que le texte, qu'il soit d'abord bien écrit, mais seulement l'écriture, l'écriture est morte. L'écrit, c'est du mort, c'est pas du vivant, c'est la parole. C'est la parole qui donne vie aux écrits. Aujourd'hui, le mot vie, je peux prononcer le mot vie de plusieurs manières, de fait à créer des émotions. Donc, le meilleur slam, selon moi, c'est se dire le dire, qui crée l'émotion chez l'auditoire. Il ne s'agit pas seulement de faire une superposition de, de, de vers, de mhm. rimes. Non, rime plate, rime croisée, rime embrassée, tout ça. Il ne s'agit pas de ça. Vos rimes peuvent être libres. Vous pouvez ne même pas faire de rimes. Vous pouvez faire le karma de la prose. Ce qu'il faut, c'est d'abord non seulement ne pas forcer la rime, rester dans le contexte de votre euh, thème et aller au bout. Ne, ne, mettez pas, ne prenez pas de tabou. Quand je veux parler de polygamie, je parle polygamie. Je ne vais pas dire parce que bon, mon papa, il a fait trois épouses, euh, ok, je ne veux pas parler de polygamie. Donc, il n'y a pas de tabou. Vous parlez de vous-même, vous parlez des autres. En étant un slammer, vous devriez être un miroir. Les gens doivent se retrouver. Donc, si dans votre slam, on ne se retrouve pas, non, personne ne sent rien, on ne, ressent rien, donc euh, je me dis que... Ne déclencher aucune émotion. Voilà, le slam, le meilleur slam doit déclencher des émotions et susciter des commentaires. Est-ce que vous pouvez nous dire euh, quels sont vos projets euh, Comment vous comptiez exploiter tout ce que vous avez là Qu'est-ce que vous prévoyez de faire dans, dans ce art Jusqu'où vous prévoyez d'aller Le slam, pour moi, ne doit pas seulement concerner une classe d'âge ou bien de rang social. Dans slams, je parle de ceux qui concernent toute la société. Alors, pour ceux qui ne peuvent se donner, je sais pas, le luxe ou bien qui n'aiment pas aller dans les scènes, sur les scènes, je sais pas, dans les centres culturels, ils voudront peut-être lire. Mhm. Donc pourquoi pas d'abord un bouquin, un recueil de slam, de toutes mes observations, de toutes mes pensées. Donc une édition, qui est une perspective que j'envisage. Et aussi aller sur scène, rencontrer ces euh, jeunes étudiants et étudiantes euh, ou les autres euh, slameurs, essayer de partager la scène et présenter aussi des slams, faire aussi la promotion. J'ai un projet que j'ai appelé Lire, dire, écrire. Donc lire, dire, écrire concerne les élèves de la seconde à la terminale. Donc ce sont des, sessions d'écriture, de lecture publique euh, LHV, lecture à haute voix, et aussi maintenant il y a les, ateliers de euh, lors des ateliers d'écriture, il y a les mhm. débats, voilà. Donc ça peut aider non seulement pédagogiquement, estudiantinement, et aussi et promouvoir le slam et aussi donc l'amour de cette langue française. Voilà, vous allez voir peut-être euh, plus loin, j'ai écrit un texte euh, sur la francophonie. Si mhm. vous feuilletiez, vous allez voir euh, francophonie. Et donc ce français-là, aujourd'hui, certes, nous avons nos langues nationales que nous allons promouvoir. J'ai aussi des textes en langue, en langue Hausa, en langue Zarma. J'ai des textes qui sont vraiment des slams purs et bien versifiés. Donc, non seulement écrire, faire un livre de ce slam, essayer donc euh, de distribuer ces livres -là dans les établissements scolaires et aussi faire un album vocal ou plus même euh, vidéo, faire tout un album et essayer donc euh, d'être aussi, de mettre la main ou bien <laughs> on dit dans la patte. Voilà, ce sont ces perspectives-là que j'envisage. Bon, enfin vous souhaiter bon vent et un beau parcours. C'est la fin de cet entretien. Merci à Amadou Daouda d'avoir partagé sa passion avec nous. Nous lui souhaitons un bon vent pour la suite. Là, on fait une petite pause et on se capte juste après. Bibi, un peu d'histoire dans cette émission. Notre reporter Moutar Mahamadou nous amène dans la région de Tawa à la découverte du village de Terasa. cerasa ana nufin cerasa mun tsere shi ko gunan nan abin da gune ya fito lokacin da ana yaƙi shi waɗannan kakakin ne namu an son ka ta yaƙi da ƙwanna can eh, ƙwanni gari to an an ka ciwo yaƙi a wurin da man ganiman nan shi wanga kaka namu sai shi zaɓi ke maiya fito. to sai waɗancan ƙwanna suka ce yan ƙwanni sai suka ce kai kai sai kai guni gare ka to shi a dalilin lenon na guni to shi aka nuna ce rasa guni to ina kuka yi to har ka zo na kuka to asali dai an taso an yi zama gobir da nan can shekaru waɗanda sun kauce kasan sakkwato cikin nijar suka yi zama binji to daga binji kuma sai suka zaka nan nan inda suka ji an haɗin kohan gida na uku kenan to kohan gida da nan kohan gida sai aka zaka nan an ka zauna nan cirasa To ainihin hakimai nawa aka samu a wannan garin tun kwa zuwa nan. Yanzu ina ganin an kai hakimi goma sha biyu. To an ce da kuna rike da wasu garuruwa ƙarƙashin wannan garin na Ya aka yi suka kumce mu? To eh lalle da abinda Tirasa ta yi da ƙoƙari arba'in da uku. Garuruwan yadda suka kumce muna ba yaƙi na an kai an mu ba. a wani an gune ana ce mai gune kolo shi na ya ci harko shekara talatin ya yi daga baya kuma koma nema to shi na ya kyauta na yi ba ga yaƙi an ka ci ba kyauta ya koma wasu can waɗancan sarakuna na ƙwanni ce an an ba shi ikon cerasa waɗancan garuruwa ya saka musu to kaji yadda garuruwan sun kuce mana an yi bayanin da sarakunan sakonni in za a naɗa suna ake zuwa a nada. Eh kware ku sarakuna na can gaba da an za a naɗa suna aka naɗa sunan cirasa. Bakin sarki Hassan su kaɗai ne abu a naɗa ce amma waɗancan sarakuna duk nan an za a naɗa cirasa aka naɗa Menene sirrin su sarakunan kwanni ake zuwa a nada suna ko nan ne cibiyar? Nan taskira da kai ana cewa cirasa taskira kwanni su kwanni sun sani. Taskira ko ya ji abu saraki nan na amma ko gobe an za a busan nan ta gidan sarki akwai wani sanin nan daga shigowa har gobe an za a jinjina sai an yi wannan busa sun eh ta mutaka kenan sannan can gidan sarauta na kwanni har yanzu akwai wata fort kofa gune shi kaɗai adda izinin shi shigo wata kofa har yanzu akwai ta shi wannan dutse na cirasa hmm. menene tarihin shi to duwatsu ɗan ga tarihi wanda suka ba su duwatsu bangare lokacin da aka ana yaki dan lokacin da shi adam da zama nan wasu suka ba da shawarar cewa a koma da gabas a zamna wasu suka ce a komo da yamma an an komo da yamma an ka zamna za a zamna lahiya an an koma da gabas an ka zamna ana arziki amma akwai tashin hankali sannan kuma dutse wannan da duwatsu akwai wata martabobi da akwai an dai yaƙi ne waɗannan duwatsu suna kamiya. Ko me ake kiran ku yanzu na kuna da wani tsage a fuska. Mu yanzu mu kwanna aka ce muna. Bayan shi akwai waɗansu al'umma da kuke tare da su ko Lokacin da an ka taho dai duka abila guda ta kwanna suka saka. Bayan sun zamana na suka samu gazurawa. Bayan gazurawa mun samu dariyawa tare da mu. A kwana a tashi gaba mun samu kuma zabar magas. Muna noman rani muna noman abana. Merci à notre reporter Moutar Imam Mahamadou qui s'est entretenu, avec le représentant du chef du village, Isia Boubakar. Il nous présente ici l'historique de ce gros village situé près de Birning kony Quittons euh, qui font Allons maintenant en musique, Mariam, avec Koumizé du grand Maliaro. Dans cette chanson, ils chantent à ce vide laissé par les exodants dans leur famille et l'importance même de l'exode. On l'écoute et on se reprend juste après. la star de la musique nigérienne, l'étoile de goum des stars Abdoulaye Brema Di Maliaro est né en 1973 à Sirfoukara, dans le département de Terra, région de Tilaberi. Maliaro se fait connaître des milieux populaires nigériens où il distille ses chants teintés d'amour, de réjouissance et d'appel à la cohésion. Il a ensuite connu une carrière extraordinaire. Il enchaîne des tournées euh, aux États-Unis, en Europe, en Afrique. Il est très adulé. Il a une fanbase base vraiment importante au Mali voisin. C'est euh, en musique en reste. Attila Berry pour le reportage région. Et eh oui, Bibi, aujourd'hui, pour des raisons sécuritaires, de nombreuses écoles ont été fermées en 2022 dans la région de Tilaberi. Le gouvernement, avec l'appui de certaines ONG, ont initié des cours à distance pour les élèves qui sont dans les zones de conflit. là pour leur permettre de poursuivre leur éducation. Notre correspondant Abdelaziz Hassoumi s'est entretenu avec Idrissa Abdou Hassoumi, directeur départemental de l'éducation nationale. Quand il y avait eu l'insécurité, le ministère a institué les cours à distance. Au niveau régional, c'était l'inspection pédagogique régionale qui est chargée de cette activité. Des enseignants ont été formés dans ce sens et même les élèves ont commencé à avoir ces cours-là à travers les WhatsApp. Donc moi je pense que autant avoir ça que de ne pas être à l'école. Parce que si l'école est fermée par exemple avec l'insécurité, vous n'avez pas pu atteindre un certain niveau du programme à travers ce cours à distance, vous pouvez quand même combler certaines lacunes. Vraiment, et eh, il faut qu'il y ait assez de moyens. Parce que le problème qu'il y a de ces cours à distance, vous allez voir, les élèves aiment suivre ces cours, mais très malheureusement, ils n'ont pas l'Android, ils n'ont pas l'appareil pour les recevoir. Mais est-ce que vous pensez que les cours à distance vont beaucoup contribuer à ce que ces enfants-là aient accès à l'éducation En tout cas, c'est une très bonne chose, j'ai dit. Les cours à distance peuvent bel et bien combler certaines lacunes. Si c'est bien organisé, ces enfants-là ont leur portable et les cours-là passent chaque fois, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème. Parce que vous voyez les conséquences. Avec l'insécurité, il, va falloir réfléchir sur euh, les cours à distance. Vraiment, c'est très important. Donc, vraiment, c'est une bonne chose et que les Nigériens doivent s'adapter parce que c'est une nouvelle dynamique. On doit être dedans. Ces enfants-là, c'est parce qu'ils sont dans des zones de conflit qu'ils suivent des cours à distance. Comment vous jaugez le niveau de compréhension de ces enfants-là Comment vous les évaluez Le niveau de compréhension, j'ai dit, ces enfants-là, c'est vrai, Tant que tu n'as pas les matériels, là, même si on fait des cours à distance, toi, tu ne sauras pas. Parce que tu n'as pas un appareil pour recevoir ça. Il faut qu'il y ait un bon recyclage, une bonne organisation. Il faut que d'abord eh, leurs enseignants soient bien outillés qu'on les explique comment ça fonctionne, qu'eux-mêmes à leur tour ils expliquent aux enfants et que ces enfants aient au moins les appareils. C'est pas à cause d'insécurité qu'on va dire non, non, parce qu'il y a eu une attaque dans telle ou telle zone, on va fermer les écoles, tout le monde plie ses bagages. C'est pas comme ça. On doit travailler. Ça veut dire qu'on doit être résilient. Ici, au niveau des camps des déplacés internes, et aussi euh, souvent, ils disent qu'il y a un manque d'enseignants au niveau de leurs écoles. Est-ce que là aussi, il y a des dispositions qui seront prises euh, pour qu'il y aura suffisamment d'enseignants Pour les cas des déplacés qui sont dans notre département, ces enfants-là, ils fréquentent dans le village où ils sont venus. Ça veut dire que s'ils se déplacent pour venir à Dessa, ces enfants-là ont cette facilité d'aller étudier dans l'école de Dessa. À ce que je sache, vraiment, il n'y a pas de problème d'enseignants. Ils ont des enseignants en quantité, en qualité. Et ils ont les fournitures nécessaires. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans l'exécution de ces actions Le problème, il y a certains parents qui ne comprennent pas. Ça veut dire que s'ils se déplacent d'un point à un autre, s'ils viennent, ils pensent que si l'élève quitte l'école de son village et arrive dans un autre village, il ne peut pas aller étudier. Donc là, il va falloir les sensibiliser pour leur faire comprendre qu'ils sont dans un état. Quand ils se déplacent pour cause d'insécurité, ils viennent dans, une, dans un autre village, ils ont la possibilité d'amener leurs enfants dans l'école du village. C'est vrai, il y a eu l'insécurité, mais cette insécurité-là nous a permis vraiment de faire fonctionner certaines écoles. Quand tu regardes au niveau des Tilabéry communes, toutes les écoles là fonctionnent seulement quelques écoles Zourou qui étaient fermées. Au niveau de Tilaberi, plus de 200 salles de classe sont en train d'être construites. Et l'année prochaine, ça dépasse là. Oh, le phénomène des classes à Ampayotte va partir. Voilà, on nous signale euh, Abdelaziz, euh, notre correspondant de Tilaberi, au bout du fil. Bonjour Abdelaziz. Bonjour Abdelaziz. Oui, bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs de Studio Calangou. Merci de nous donner des échos de ce qui se passe de l'autre côté. Abdelaziz, on aimerait bien savoir, avec tout ce qu'on connaît comme euh, problème de connexion chez nous, comment c'est, euh, quelle est la situation de ces élèves dont les écoles ont été formés Ils ont vraiment accès à, ces cours ou comment ça se passe vous savez, euh, cette alternative éducative est venue avec ses propres défis. Et euh, le premier défi, euh, d'abord, c'est de mettre à la disposition de ces enfants-là des smartphones qui vont leur permettre de recevoir le cours. Mhm. Mais malheureusement, euh, il n'y a pas suffisamment de réseaux, c'est-à-dire la connexion n'est pas bonne dans certaines zones. Et c'est là qu'ils ont pensé de voir quel mécanisme adapté pour que ces enfants-là et accès à une éducation. Parce qu'au début, ils voulaient le faire par écran interposé, mais malheureusement, mhm. euh, la connexion ne permet pas. Et c'est après que l'idée euh, était venue euh, de travailler avec les radios de proximité. Donc, c'est là que ils ont conçu les, les cours qu'ils ont dispatchés au niveau des radios de proximité. Et le deuxième défi, c'est l'accessibilité à ces zones-là, euh, à hmm. cause de l'insécurité. Mais avec euh, euh, l'innovation et la détermination de ces ONG-là qui interviennent dans ces domaines, on pu trouver comment évaluer d'abord comment faire pour leur permettre de suivre régulièrement ces cours mhm. et comment les évaluer. Et là, ils ont recruté des moniteurs au niveau des zones concernées qui suivent régulièrement ces enfants et les évaluent à, chaque, euh, à la fin de chaque euh, leçon. Et là aussi, euh, il y a, selon un chef de projet d'une ONG qui intervient dans ces domaines dans ce domaine pendant la phase d'expérimentation, il y a 750 enfants hmm. qui ont été touchés, qui ont suivi régulièrement ce cours-là. Et pendant que les enfants qui sont dans les régions culminent à 68 857 euh, enfants. Oui, mais Aziz, on aimerait savoir, est-ce que les cours à distance concernent les élèves en classe d'examen Si oui, quelles sont les dispositions prises dans ces cadres Non, parce que pendant la, bah, euh, phase d'expérimentation, c'est seulement les enfants du CI et CP. Donc c'est cette année qu'ils ont euh, ajouté les élèves du C, CM. Donc, euh, euh, vous voyez, pour les classes d'examen, pour l'instant, ils sont en train de voir comment penser, euh, eux aussi, à faire des cours, à concevoir des cours pour eux. Quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour les candidats de, ces, de cette zone des, trois frontières Qu'est-ce qu'on peut dire sur... Pour, pour, les candidats, il y a des dispositions qui sont en train d'être prises par la Direction régionale de l'enseignement national parce que ils sont en train de les euh, faire déplacer dans les zones où il y a un peu d'accalmie pour leur permettre d'étudier et de faire leurs examens. Ok, on souhaite la bonne chance. Hein. Merci ah, Aziz pour ces précisions et nos salutations à tous nos auditeurs et auditrices de la région de Tilaberi. À présent, marquons une petite pause. Place à présent à la page sport avec notre chroniqueur Adam Saliou qui vient juste de nous rejoindre. Bonjour Adam. Bonjour Rabi. Ça va Ça va bien. Bonjour Adam. Bonjour Mariam. Ok. Adam, euh, le tournoi U20 dames de l'Union des fédérations ouest-africaines de football UFOA B euh, débute samedi 20 mai à Kumasi au Ghana avec les 7 pays de la zone. Oui Rabi, la compétition se déroulera du 20 mai au 4 juin prochain. Les Nigériennes seront prises dans le groupe B avec le Nigeria, le Burkina Faso et le Togo. Le groupe A est composé de la Côte d'Ivoire, du Bénin et du Ghana. Adam sur le continent, les demi-finales retour de la Ligue des Champions revient ce soir. Oui, Mariam. Le club égyptien dal jouera contre l'Espérance de Tunis ce soir et demain. Le Mamelodi, le sera opposé au Wydad Casablanca. Pour finir en Europe, on connaît les finalistes euh, des Coupes d'Europe. Oui, Rabi. Et la Ligue des Champions, la Ligue des Champions revient ce soir avec euh, l'Inter Milan. Voilà, en fait, la, la, finale de la Ligue des Champions va opposer l'Inter Milan et Manchester City. La finale est prévue le 10 juin à Istanbul. Et en Ligue Europa, l'AS Roma jouera contre le FC Séville le 31 mai à Budapest, en Hongrie. Et en Ligue Europa Conférence, la Fiorentina affrontera West Ham le 7 juin à Prague, en République tchèque. C'est tout pour aujourd'hui, Rabi, et au plaisir de vous retrouver pour un autre numéro. Merci Adam, on se dit à la semaine prochaine. Après le sport, dans euh, la rubrique portrait, nous irons à la rencontre de Kadi Munkaila. Kadi Munkaila a fondé en 2005 le village qui porte son nom, Kadikwara, qui est situé à environ 80 km de Niamey, dans le département de Kolo, région de Tilaberi. Selon la sextagénaire, son village

sagi fimbora na koy gor kambor kulsino ana walanga gano abinda na ino nongo aika ai tina anga te etajo koto etajo ai na tai go gorara borai ina se he ka ga ye kwara boy bor kaina ni hinna no ka gor sajo ra ga kwara singi asi hingati ai ne wallahi dir koy ba ir na ini irko no ga jeysi ay gogoro ay gogoro aina ne kala ayna nebore margu margu ay misali gaba inen inangay e gaba école e ai koi kolo sorata cigu indu ai ga koi kolo ai man ma tuya san sambu moto kadai isfa mai gangano go governor tilaberi ai kwado anai se zama nyango ne kadi don kengo kadi kulu la mama na se. anai la mama ni gihin aina wallahi gihin ne to irko min gaga sinai aika ina ekolo fili 2011 nina ekolo fili amma ayo aina eka yango 2005 na eka kwaro atamowa saji fim bino zari kware gondi ginna ma kini gondi ginna ma jini goga dir saji ora gondi no batamo kurra aika mbora kulga bayi kala aika ga sintin ga yaru ano kana ga sintin ga yaru nyamai naifu kino to aika ga na ga furfura kala ma fus gondi kaide wata mono tarai si kwai fuwara si kwai ai nai binana no dai kwai kan fuwara kan bufaga nga mo kan kan faga ai tunga jingar ai jingar gaban ai na seto salamu alaikum inda kaga dinda kaga di kalai na bi hande hande sintin ga yaro kan borfo ka borfo man kai di hanga gondi hinki hin zuwi bata mo mun kun bani mu kana mu foi moto kan borasa mun ngane kadi kwara kun kadi kwara ine ni di ni gurye kan ni ko e kolo banda doktor kwar gono wallahi lot kor ko arasino amma ay gurjey irko irkoy fo kanti jingara wo karandiwo ay jayi aidu dai an kunda yo allah irkoy mu fonde goy bata mora boray me ame almanay gahan boray han dai follon no gono ay gonda forage mais son forage o gonda problème zama asara no za 2005 kanin ko arasingi ka hunkuna nigi ndiki ese son hunkun me ra bor margeno go kwarara to borai si kwarara manti borai go kwa ban san karan kan baran da windo ino gono kalfulan ai kan fo yaran go diwo da kai biya ban nga ni go funa hala tondo karan go fanne bene aga to ba 7 km amma di ne hari kan tat ke gagana zama almaniyan no go isi don ke ko har tondo dimba na n'o go cindi kadir kwai magane dai di ne kwara kwarin baran da mai gari mhm. kadi kwara gwanda mai gari da gwanda mai gari mai gitu mai garo to a sin da mai gari jina mai gartara ina ke kina wangu ni sai mai wal mata mangodi ai wai si ga mai gartara ce da mai gartara ka bai man furu, ai ya dai ba ai buno hankun ai nir koi sabu zama ai ga tiwai borsin jar la labo me amera kan da kwara sin ne kal jiri zan guhin ka banda bata mowo forage gono jingarai gono ekol gono watin ga su bata mama tusu Merci Adama Dawaki pour ce portrait super inspirant. Un dernier tour en musique avec le son Gia de Sani Aboussa. you chakin chakin say sai su take dan su zanyo ban wani chakin ga you chakin chakin chakin c'était euh, du, de Feu, Sani Aboussa, une grande figure de la musique moderne nigérienne qui nous a quitté très tôt. Sani Aboussa de Super Husky. Bibi, dans les lotis de ce vendredi, nous parlons des biens publics. Voilà, Mariam, l'utilisation à bon escient des biens publics, c'est de cela qu'il s'agit dans notre rubrique Loti d'aujourd'hui. Fanta et Samira Rafi nous en disent plus. Hey ina ji na gama. Yanzu kam sai gida, ni ina ma ‘yar sako ita. Wai Allah, na iso gida. ‘Yar uwa, ya ne kina lahiya? Ke kaɗai ce anan, ke tsaya, anya ba na mance in kashe su. Kai ni kamar ban kashe komi ba a wajen aikin nan. Wallahi na manta sam, ki amma ba komi. Yalla mai gadi in ya gani ya kashe abin shi. barin ta zuwa wanka na. Ke ke ke, ina zaki? Dawo nan. Wanka mana zan je in yi. So nake in dan shika shiki na in ji daɗi. Ya aka yi ne? Wallahi kina bani mamaki. Na mi kuma, da na yi mi. Ki ɗauko sakot ki zo gidanki. Ba ruwanki a can wurin aiki ke bau komi a kunne ba ki kashe komi ba. Ina ne hankalin ke ta yi? Aski ke wannan abun da kika yi yayi kyau ne? Ke abun da ko in na mance akwai masu gadi sun kashe daga baya. kin gan halin ki ko dan me yasa zaki jira sai an yi shi wajen ki aikin da ya kamata ke ki shi mai gadin shi ne ya amfani da su kayayyakin ke tsaya ni fa ba laifi na bane ba in wani ya bata miki da rai kin san da cewa in wayannan kayayyaki da kuke amfani da su wurin aikin ku suka bace ke za ki shiga cikin wani hali saboda kina amfani da su kuma suna tallafa miki wajen ayyukanki wanda ya baki aikin ba ga ƙasa ta ya cinto su ba kuɗi ya sa ya saye su saboda ku ji daɗin aiki ko ko gaya mini in takardar biya huta ta zo kina ba da dalaki ne a biya ina iya cewa a'a kenan wannan ba na farko bane da kike nan ga yin wannan abu kuma kina gayi wata rana gida hankalinki bai mata shi ba ana naman ban kashe hakan gaba wallahi ki sake wannan ɗabi'a take zai fi aifa miki da mai ido to na amma ai mantuwa ce ba da gangam nayi yi ba ko in an kai so ɗaya ko so biyu ana iya ganewa amma kullum sai kin mance kawai ki ce dai ƙiu ya gare ki ha wa'annan kayayyakin da kike gani suna amfani wa kowa da kowa wurin aikin ki saboda haka ya kamata ki sa niyya ki kokari kenan ya kamata ki kula da wani dan gyaran su in sun samu wata yan matsala da rinka lura da in suna bukatar wani abu ai akwai masu gyara waɗanda su aikin su ne kawai su gyara su ana miki magana kina ki ko wadan me yasa kike da taurin kunne haka mm Allah to na shi ina sauraron ki kayayyakin da kowa ke amfani da su cikin rayuwarmu ne suke na yau da kullum musamman ma wajen aiki, saman hanyoyi, wajen shakatawa, duk abin da kowa ke amfani da shi. da sauransu. Ke cikin halinki abubuwa ne da ba ma na kowa da kowa ba ne, na mutum ɗaiɗai ne. Kayayyakin wata ma'aikata ce mai zaman kanta, kenan ya kamata ki yi hankali da su. Kina iya samun kashedi wajen aikinku saboda sakaci dangane da waɗannan kayayyakin na wurin aikinku. A a tsaya. Kashedi na mi, me yayi zahi? Don saboda kawai na manta in kashe kwamfuta ta. ko kuma wani ɗan AC. Habu yayi yawa mana. Na ji yawa, ki zage da yin hakan ga, zaki zo nan ki iske ni ki same ni, ki ce na faɗi gaskiya. A hidda ma wani zancen wasa, kar da ki sake yin irin wannan abu. Ki kokari dan Allah dan annabi kahin ki zo, daga yanzu ki dinka kashe komai da komai da ki san da yana iya wani bata wuta. To naji insha Allahu zan kula saboda waɗannan kayayyakin. daɗi na ne ma a ce suna yi kuma dan saboda kamfaninmu ya ci gaba na gode kin shi uwa sanu da kulawa Merci les filles pour les conseils. Bibi, c'est l'ère de la culture linguistique avec Alamine Wacher. Et aujourd'hui, Alamine va nous expliquer le mot corruption en français et en Bonjour Alamine. Bonjour, euh, Bibi, bonjour Mariam. Bonjour Alamine. La corruption se définit comme l'agissement par lequel une personne investie d'une action déterminée, publique ou privée, solliciter ou accepter un don, une offre ou une promesse en vue d'accomplir retarder ou omettre d'accomplir un acte entrant d'une façon directe ou indirecte dans le cadre de ses fonctions. La corruption est un délit pénal. Au Niger, la corruption est punie par la loi 2017-10 du 31 mars 2010. D'une manière générale, la loi nigérienne punit sévèrement la corruption sous toutes ses formes à travers des peines diverses selon le degré de l'infraction. Mais la spécificité est qu'en cas de corruption, c'est toutes les parties concernées qui sont punies par la loi. Les corrompus, les corrupteurs, tous tombent sous le coup de la loi. دتماجق آه، كوربشن معنا نت الرشوة الرشوة مرن يموصر تقدر القانون النيجر في لقنا ويقلنا تاري نقوتني موزة غنار تسستي قوي دن ستارت تا تقلتا إيجين نرتيا مدي قدل نيجين نرتيا مدي سسوجين نرتيا أرتا وا يموصن الرشوة دا غزومة ناس ودما أدي قرو الحقية مدي غلكية دا غشغل ويتك في لقنا وهذا تاس الرشوة يقدر القانون النيجر فلقنا وقان قانون النيشر داتنات نت تن شنجيم ادمرو دسات ركب تدمراو انكرت مروان ديان دات اللي تمارس نوات وان شنجيم ادمراو فلقنا وقلنا أرتا وقلنا رشوة دا أرت تيقدال القانون مرن يويدبتو دغا تاريم كول مرن أرت وزا تقريم دغا أرتا وقلنا رشوة فلقنا وقلن ويكفن الرشوة تدوى تطيبزا كل ناس يواتنا القانون Merci bien, Alamine, chers auditeurs, Si vous avez d'autres mots et expressions dont vous souhaitez avoir l'explication en anglais, en haussa, en zarma, en ou en foufoulde, n'hésitez pas à laisser euh, vos messages vocaux ou un message juste au 82 89 89 64. Assalamu alaikum. Sunana Mohamed nan garin birnin Kwani. Ni ma'abucin sauraron gidan Radio Kalangu ne, Studio Kalangu. Muna jin gaskiya daɗin shirye-shiryen su gaba ɗai da abubuwan da suke yi suke faɗakarwa surtu abin da ya shahi matasa da me dukansu dai muna jin daɗin su gaskiya sannan ga labaru da suke bada ta kowane yare shi ma dai wannan abu ne wanda gaskiya muna jin daɗin shi sosai da sosai gaskiya abin da za mu fata dai da studio kalangu shine gaskiya su rike abin da suke nan gayi yayi ne abu ne wanda yana kawo ci gaba har dai ma ga matasa ta samu na su su kara da abubuwa wanda za su dinga taimakon matasa ma dai haka shi muke fata da studio kalangu studio kalangu muna sauraron labarurka wanda muka sani da wanda bamu sani ba labarunsu su kara dai karfin gwiwa akan aikin da suke yi suna na rika abdulkadir wallahi muna sauraron labarin studio kalangu kuma muna samun labaran duniya sosai haka nan dai so nake su dan ƙara lokaci kuma kamar labarin da ake yi na ya kamata a ce aikan shi tun da sai lokacin da radiyoyi suke budewa sayidu labaran nan na studio kalangu wallahi suna ƙayatar da mu wannan jin daɗin mu ne da Allah ya sama har rediyon nan ta mu ta samu nan ƙarin garat ko ina a halba yau in aka yi labaru kaji ta abin da yawan zai cikin ƙasa kana saurare to ai shi shine koyi kuma muna fatan Allah kara musu hazaƙa yanzu abin da nake so su ƙara ni inda Allah ubangiji shi ke yin komi shi ne ke yi fatan da nake musu ubangiji Allah kara musu hazaƙa kara musu ilimin ƙara ci gaban wani abu in akwai wata rediyo ma da ke can ƙauye su ƙara kai mu can wa'anda sun nesa gabas yamma ko ina su zama na daidai wallahi muna koya musu ba muna ta godiya ku da ke tare da su ma Allah rufe asiri Chers auditeurs et auditrices, avant de se dire au revoir, à accueillons Rifika terre pour les titres de la grande édition du soir. Bonjour Mariam. <laughs> Bonjour Dans la grande édition de 17h, nous parlerons d'abord de la reprise de l'assistance par l'OIM des Nigériens refoulés d'Algérie. Ensuite, euh, nous parlerons de la distribution des kits de semences dans la région de Dosso. Et enfin, la partie magazine va porter sur une culture traditionnelle des Peuls et les Armas, le Toupal ou le Souka, un tatouage permanent des lèvres et des gencives. Merci Rafika, on se dit à 17h. À 17h. Ici prend fin hein, cette émission de ce vendredi 19 mai 2023. Vous étiez en compagnie de Rabia Meikano et Maria Madé. L'édition a été assurée par Notre-Dame de Fer Adam Adawaki et la technique par Issa Lawali. Très bon après-midi. Bye bye.